kon si li nga xam nek modi le décryptage de l'actualité actualité suñu ponk actualité si nar gëna gën bokk na naka démb nak am neen yenn si ay nomination jëm na si yenn si ay poste yi nga xam ni tab doon nañ ko xaar si li nga xam nek modi di appel à candidature lu semaine li nga xam nek modi RTP mais tamit dañ dal ñëw itam si li nga xam nek modi le choix euh, de euh, Ngagne dem Touré ce li nga xam nek modi ñitu euh, yi géré walu ko mine fi Sénégal des ko daal di faram-fàccee si mu gëna a yaatoo suñu ponk itam bokk na ni du dal di jëm si ki nga xam nek moo di Touré tey jii sa sortie euh, a su nouvelle nomination yi mom cadre yi nga xamni Touré euh, na ni si xex suñ jot dara il faut que ñu doon xex da si a euh, dugg si nga xam que mu gouvernement bi lu lepp ñu ci daal di si ponk xibaar yi suñu ay ponk yi itam bi a bokk na lu daal di si nga justement euh, rapport yi nga xamni itam kenn na encore une fois euh, cette décision bi nga xam tam of nak jël na daal protéger exactement les noms des na ko daal di yaatal mu gën a den daal di si itam lu daal di ñeel si li nga xam que moo di euh, Ousmane Sonko amal na premier conseil interministériel fa nga xamni itam mu zaanu ko si kat jam ñaajo mu daal fay jël ay fortes décisions loolu lepp dina ci daal ñëw si nu mu gën c'est une mission allah dina xam que euh, midi info bu tay bi li ak leen tey si vous venez de nous rejoindre

recommandations ana def par rapport ak ce rapport à fond. oui euh, comme nous avons ko c'est ah, le rapport bo xamantene mom qui épingler tay euh, euh, bu Prodac bi sénégalais bien avant hein, parce que. Euh, ci jamono yele dañu doon le ni que rapport bi Amoulon c'était mm. un pré rapport à Amon donc ba mu cité je crois même ça a fait euh, des tauliers hein, dans ce pays parce que euh, kérok ci les les convocations par ci par là de Ousmane Sonko yo xam te des nañu fi ay mort et aussi des casses à ne pas en finir ñen ni japp ni que peut-être Ousmane Sonko dafa diffamé Mambay Mbaye Niang wala ñen ni japp ni que Ousmane Sonko mo nekk ci deug donc pour la simple et l'unique raison dit que euh, euh, il y avait 29 euh, milliards qui ont été détournés pour Prodac yoon m'ont révélé soumane ma nee manam les corps de contrôle là ñoo révélé ni que euh, effectivement rapport amna, na ñu publier ce rapport là donc euh, rapport bi qu'on euh, nekk gis na ni que ils sont revenus largement sur les faits ah, donc ci Prodac Prodac boo xamante ne boo ba ci la forme c'était c'était c'était bien bien ficelé mais boo dans la forme dans le fond du dossier da ngay dans da ngay gis ni que euh, il y a quelque part un contrat qui a été signé Et respecté les normes euh, du contrat selon l'ARMP euh, cette maison bo xamantene mom moy régulariser bép marché public fi ci Sénégal ARMP dafa né selon son rapport ARMP ni que buñu ñu ni que le code des marchés publics Green 2000 la société euh, israélienne bon comment mom lañu signé euh, le contrat de Prodac Green 2000 n'allait pas gagner ce contrat maintenant à la grande surprise de tout le monde on a dit on a vu un contrat hein, ñu octroyé un contrat qui est illégal bi le fait d'avoir signé un contrat de tout azimut nous le détoy ñu dem ba donc euh, une cellule d'orientation ci product. Prodac ñu scandale on a vu donc euh, l'État du Sénégal obligé d'injoncter des milliards à Green 2000 pour mu son démarrage froisse dadi hidem motax et moo le donc euh, au niveau des corps de contrôle ni que Prodac war nañu euh, donc ki doon gérer donc Prodac ci jamono euh, malheureusement qui euh, doon gérer ci Prodac bi ci c'était le ministre l'ancien ministre d'État mon Mame Niang mais en quoi la responsabilité de Mame est elle est impliquée Arfan si ton sait que ni mm-hmm. li nga xam Prodac c'était une organisation bo xamni peut-être donc rattaché woon si li nga ministère mais en quoi sa responsabilité concrètement elle est engagée et que Prodac a na ba mais peut-être que nekkoon rek si magistère qui nga dit ne moo Mbaye alors bien sûr la responsabilité de Mambayan est engagée c'est-à-dire que euh, il faut ngeen xam benn affaire sëñ mm. Euh, Green 2000 la société Green 2000 la société israélienne parce que société israélienne la dëkku donc la société israélienne Green 2000 bon xamante ne moom ci le contrat du Prodac ñu ne la Mame Mbaye Niang signé suis en signé le, le, contrat du Prodac avec mm. Green 2000. Maintenant, dites-moi, ndax suis en train dina signer contrat ba pare ñu né rapport amna ba pare génné ci est-ce que c'est possible je pose la question dans la mesure que ñu suis en diw mo signer contrat bi donc ta responsabilité est engagée du début à la fin ta responsabilité est engagée du début à la fin Yo, mëno ci c'était non parce que voilà ñu ne ya signé contrat bi té ARMP mo né buñ ñu toppoon ci est normal selon le code des marchés publics normalement Green 2000 n'allait pas gagner le marché. Hmm. maintenant kan gagner lo cette société israélienne quand kan moko ko le marché bi. ça c'est l'interrogation des gens aujourd'hui <laughs> c'est pas un moment mo def wala ki ki signé contrat bi lañu bëgg xam kan

le rapport coude des comptes offnagi na euh, euh, et tant d'autres et tant d'autres concrètement quelle sera la suite logique euh, allant dans ce sens exactement parce que nous avons précisé que ni lii mënuñu see tëdd benn et recommandations leen def allant dans ce sens peut-être exception bi moy un milliard deux cent bi nga xam na taxamul fan la aw y a du début à la fin y a de l'exception dans le dossier hmm. mais rapport bu génne bu ñu rapport mais on connaît la suite la suite, ça va dépendre du président de la République. Parce que les rapports ont été déposés sur sa table. Mm. Ça aussi, il faut bien comprendre. La suite, ça va dépendre du président de la République. Parce que quand les corps de contrôle là, si nous avons un rapport, nous avons un table président. Maintenant, le président de la République, à lui le voir. Comme disons, on a fait Macky Sall, Macky Sall, on déposait des rapports sur sa table. Nous xëcc tiroiram teg fa rapport d'adi denc. classé sans suite non écoutez non non non soyez au sérieux wara accentuer si li waraloon li waraloon sax mu la la la femme la euh, nafingom Keita, ah. mais c'est parce que la dame là da ko sonal ci ay rapport la dame fatiguée Macky Sall ci les rapports la femme nafingom Keita. parce que tous les rapports que OFNAC avait fait épingler soit des personnes de Macky ou des proches même de Macky Sall. Des proches même de Macky Sall. Moi, à un moment donné, Macky n'a pas voulu diligenter ces rapports-là. <laughs> Mais les rapports-là existaient. Le Prodac, quand Ousmane Sonko, imaginez, quand Ousmane Sonko vous disait que le rapport est là, le rapport se trouve dans mon téléphone. Les gens, ils les rapports, ils ont faites que Mais quelqu'un qui a un rapport sur son téléphone, ngeen yaakaar se pose la question cest à que nit sa tête sa nga a rapport il y a pas euh, un pré-rapport. Euh, non si si enfin. Oh, non non euh, rapport yi rapport mo pré-rapport le conseil. pour Il ay tontu par rapport à Il ko cité rapport bi. dama wax le jeu qui qui a dans le product y il y a ils ont fait un jeu au sénégalais. Ils ont voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un pré-rapport. Mm. Et le rapport n'existait pas. Est-ce que vous savez un pré-rapport, Seigne Fallo Madame, le rapport avant, au bout définitif, oui. <laughs> non, <laughs> un pré-rapport. Le pré-rapport, moi, enfin, si on enquêté, on un pré-rapport. Non, non, non. Étant d'autres, étant d'autres, on un pré-rapport. Dédé. On a tontu, c'est l'unicité ici, on pré-rapport. On a un rapport définitif, oui. Dédé, c'est pas comme ça. Ok, allez-y un pré-rapport, on ne le donne pas aux enquêteurs. Pré-rapport. Hmm. yow dama lay wax dama lay jox benn exemple Boy, sa jabar buy togg wala sa jabar mag c'est que célibataire nga amo jabar sa jabar mag buy togg ci waañ bi. Hmm. buy togg gis nga lu muy togg togg mais du jël lu muy togg jox ko parce que ñorul est-ce que comprendre nga. Ah, ah. du ñuy yàq lu ñu parewul togg ñu yokk Joko ay nit. Quel du ko yàq ken du lek luñu luñu lu ñu parewul lu ci wañ ken du ko lek hmm. moy pré rapport pré rapport ki koy ko koy defar du bëgg sa ken gis ko parce que il y a des choses à à corriger hmm. moo tax ñu le sénégalais pré rapport mo am c'est Ousmane Sonko pré rapport la Yoron. wala sénégalais c'est faux les gens détenaient le rapport le rapport existait le rapport n'était pas déclassifié. Le rapport Ken, bien sûr. Bien sûr. Le rapport euh, définitif existait. Mais comme le rapport n'était pas déclassifié, a un rapport bi. les gens parlaient du pré-rapport. Si rapport section de recherche moo lay ñoo jël si laaj la kan moo la jox rapport bi fan la jógee ak kan moo la ko transféré hmm parce que le, le, rapport n'était pas déclassifié. Maintenant, pour une vous avez déclaré que pré-rapport hmm. Est-ce que vous avez compris le jeu qu'on faisait C'était un jeu. Rapport mo amon. Comme le rapport n'était pas déclassifié, nous avons ci jamono bobu ci jamono Macky Sall rapport nga am rek dañ lay jël parce que nous ils sont intéressés par celui qui distribuait ce rapport là est-ce que comprendre comprenez parce que nous savons que Ousmane Sonko était bien renseigné maintenant lu leen est mooy kan Ousmane Sonko ces informations là en étant opposant hmm.